mais nous également les Sénégalais de la diaspora. Madame le ministre, si votre rapport, vous prenez comme exemple l'Allemagne nazie et le Rwanda. Je rappelle que c'est des pays qui étaient en guerre pour donner euh, euh, les motifs ou bien pour expliquer li nga xam ne et je vois là une contradiction parce que depuis Dao, depuis que le Sénégal est en paix depuis Dao, damay le Sénégal c'est une très grande euh, démocratie et je vois là une contradiction donc si vous nous comparer Rwanda comparaison si li nga Allemagne c'est parce que 12 ans ça ne va pas ici dans ce pays et qu'est-ce qui s'est passé vous avez abusé du peuple sénégalais vous avez fait souffrir le peuple sénégalais madame le ministre qu'est-ce qui se passe dans un pays en guerre assassinat torture, emprisonnement, viol. Et depuis 2012, c'est ce qui se passe au Sénégal. Donc il n'y a rien, rien qui nous différencie d'un pays en guerre. Et qui est l'instigateur C'est le président Macky Sall. Donc pour cela, et dans ce, siège, journalistes, ouvriers, étudiants, personne n'a été épargné pendant ces 12 années a au pouvoir. Nous, députés de nous avons pendant longtemps attirer l'attention des ministres qui passaient ici sur les tortures ainsi les répressions excessives yi nga que mais toujours vous avez applaudi les réponses du ministre ici monsieur vous chaque fois le ministre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce qui a changé aujourd'hui loi d'amnistie c'est ça ma grande question et je ne peux pas comprendre Reina bal la ak damm naa sa la ak say bien bal la ak torturé nala la nala la ce n'est pas sérieux qui wara a ak tay c'est les victimes de ce régime depuis 2012 et par le président et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi celui qui a été au centre de ce désaccord, que celui qui a été au centre de l'incohésion au Sénégal lui-même il veut venir pour dire que moi, organiser li ne pardon ça je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais alors pour la diaspora je dis ici avant même de parler de la diaspora je dis non à l'impunité non à l'impunité parce que tout simplement pour, coup torturé, torturer tour tout, tu dois être traduit en justice traduit en justice, nous situer les responsabilités. C'est pourquoi je suis vraiment désolé, Madame le ministre, parce que j'ai vu ici, vous avez un, ce passage, vous dites, au contraire, c'est parce que la vérité est connue qu'il est d'autant plus fondamental de pardonner. Madame le ministre, Munga les Sénégalais, les yeux dans les yeux, la vérité est connue, c'est nous mën nga les sénégalais vous osez regarder les sénégalais pour leur dire qu'on connaît la vérité xam nañu vous def xam na deful je pense que la vérité l'air amaguñu dëgg donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la diaspora je parle à son nom je dis la diaspora dit non parce que l'internationalisation de ce combat nous n'y sommes dans la diaspora la CPI nous nous li nga ces pays donc nous disons non à l'impunité on n'est pas d'accord il faut que la vérité jaillisse et maintenant pour nous de PASTEF on n'a jamais été demandeur demandeur je le répète le président Sonko n'a jamais été demandeur def et à la fin de la soirée je pense que les gens vont comprendre madame le ministre vous avez fait souffrir les Sénégalais man Aïcha en tant que député de la diaspora je ne le pardonnerai jamais combien sont les sénégalais de la diaspora ñoo xam ne tey mënuñoo ñëw seen yaay génn na àdduna mënuñoo ñëw seen baay génn na àdduna mënuñoo ñëw diaspora yoo xam ne toog nañu ay weer mënuñoo seet ci seen mbokk pourquoi parce que dañ leen soupçonné ne wala dañu wax ay opinion yoo ramené deux dëppoowu lax ki nga xamné moy njitu njiitu mi dañu def ay ay position yo xamné dañ leen caricaturer tek leen et pourtant fi ci bi réew mi nit def lu ko ñu ngay dem donc madame la ministre je retiens la question fondamentale de l'honorable député Oumar Sy et je pense que vous allez oser répondre juste et précise à cette question. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Barthélémy Toyga, suivi de Oumar Sissé. Madame le garde des Sceaux, euh, ministre de la Justice, Messieurs les ministres, chers collègues députés, Madame le ministre, euh, je voterai non contre ce projet d'amnestie parce que je ne comprends pas ce qui motive ce projet. Un coup, on veut nous faire croire que c'est pour réhabiliter les acteurs politiques qui, semble-t-il, ne sont demandeurs de rien du tout. Madame le ministre, je voudrais vous dire, le maire de Dakar que je suis, vous le savez parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant cinq ans parce que j'ai été définitivement condamné dans une attaque lâche contre une institution de la République. Attaqué avec des vidéos à l'appui, je suis le seul à être jugé. Personne d'autre n'est jugé. Et aujourd'hui, je suis exclu des listes électorales. Ça veut dire que si l'élection se tient en 2029, je ne peux pas être candidat et je ne peux plus être candidat à la mairie de Dakar. Ça veut dire que si aujourd'hui on considère que moi qui suis attaqué dans une institution de la République, je n'ai plus le droit de pouvoir compétir parce que j'ai soi-disant été jugés par des magistrats qui se disent être indépendants. Je préfère ne pas commenter parce que je préfère garder mon opinion personnelle. Je pense aujourd'hui, et là je m'adresse au président de la République, qu'on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour réintégrer des acteurs politiques. Tout ce qu'on a besoin, c'est de modifier quelques articles de la loi électorale. Parce que tout le monde sait que les articles 29, 30 et 57 de la loi électorale ont été des articles à la limite particulière pour cibler des acteurs politiques et les empêcher de pouvoir être candidats. Donc, je souhaiterais demander au président de la République de bien vouloir reconsidérer sa position. Madame la ministre, je ne partage pas le point de vue de certaines personnes. Je suis un acteur politique, un opposant, j'ai participé à presque toutes les manifestations dites violentes pendant ces 20 dernières années. Je peux vous dire ici que lors de ces dernières manifestations, de mars 2021 à peut-être 2024, j'ai été au cœur de toutes ces manifestations. Aucun leader politique n'a donné d'ordre ou d'instruction pour tuer qui que ce soit dans la rue, policiers comme manifestants. La plupart de ces manifestants, semble-t-il, auraient été tués par balle. Mais si nous devons pardonner, mais disons-nous au moins de la vérité, parce que comment oublier sans savoir Dites-nous au moins ce qui s'est passé parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. Comment pardonner sans connaître la vérité, au moins par devoir de mémoire et par respect à toutes ces victimes Qu'on se dise au moins des vérités. Si le président de la République veut pardonner, le président de la République doit aujourd'hui prendre sur lui, s'il est sincère, la responsabilité de sortir le monde de prison et de permettre à tout le monde de participer à des élections. Laissez les Sénégalais juger et voter. Ça ne sera pas la fin du monde. Le génie sénégalais a toujours su surmonter les difficultés. Députés du pouvoir comme députés de l'opposition, nous sommes que des Sénégalais. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont confus, les Sénégalais sont tendus. Mais pourquoi le sont-ils Mais parce que les Sénégalais réclament une élection. Et c'est au président Macky Sall de faire preuve aujourd'hui de hauteur, de grandeur. Oui, il dit qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas partir le 2 avril parce qu'il n'a pas de successeur. Mais en même temps, il dit qu'il ne sait pas qui doit organiser l'élection. Mais c'est lui qui doit l'organiser. Et je pense que c'est là-bas que se trouve, Madame la ministre, la cohésion nationale. C'est là-bas que se trouve la paix. Chers collègues, dépassionnons le débat. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais vous attendent sur une date pour l'élection. Les Sénégalais attendent de vous votre pardon. Libérez les détenus politiques, libérez les prisonniers politiques, libérez les leaders politiques et laissez le soin aux Sénégalais de choisir le prochain président de la République. Que le, Sénégal connaisse une fois de plus le charme de la démocratie. Et je sais, Madame le ministre, qu'on saura éventuellement compter sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Oumar Sissé, suivi de Massata Sambo.